The forum du studio le forum The studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum The studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou Chers auditeurs, euh, bonsoir et merci de rester à notre compagnie pour suivre le forum du studio Kalangu à la présentation Reila Toussoumana. Les programmes de studio Kalangu sont relayés au Niger par 34 radios partenaires implantés sur l'ensemble du pays. Le forum est un rendez-vous quotidien dans le respect mutuel au cours duquel nous faisons appel à des personnes ressources pour apporter des réponses aux questions d'actualité ou de société. Aujourd'hui, nous parlerons exclusivement de musique, de cinéma et de médias à travers le festival Sahel Hip Hop et Musique du Monde qui se tiendra à Niamey et à Agadez du 20 au 25 avril 2018. Migration et extrémisme violent, de l'urgence d'offrir à la jeunesse africaine une alternative et des perspectives d'avenir est le thème retenu cette année pour célébrer la quatrième édition du festival Sahel Hip Hop. Sahel Hip Hop est un événement culturel africain d'envergure internationale. Il regroupe chaque année depuis 2014 des artistes, musiciens et cinéastes locaux, excusez-moi, et internationaux, notamment du Mali, Burkina Faso, Tchad, Côte d'Ivoire, Nigeria, Togo, Sénégal, Guinée, Libéria, Maroc, etc. Cette rencontre musicale ambitionne de promouvoir la culture urbaine en particulier et celle nigérienne en général. Pourquoi le choix du thème migration et extrémisme violent Pourquoi associer médias, cinéma et musique Quelle sera la contribution de Sahel Hip Hop dans la culture nigérienne Comment la culture contribue-t-elle dans les actions menées pour le retour de la paix en cas de conflit quelle est la place du cinéma et des médias dans ce festival de musique Comment les artistes nigériens perçoivent-ils le festival Sahel Hip Hop et quelle est leur contribution dans la réussite de celui-ci Quels sont les principaux partenaires de cet événement Pour répondre à ces questions et bien d'autres, je suis ce soir en direct de Studio Kalangu en compagnie de M. Sani Magori, réalisateur nigérien et aussi directeur du Centre national de cinématographique du Niger. Bonsoir. Madame Fatima Rico, artiste, chanteuse, compositrice nigérienne, bonsoir. Bonsoir. Et Françoise Ramel, bénévole et membre de Musique in Africa. Bonsoir. Monsieur Hassan Abdoulaye, euh, promoteur de ce festival que nous attendons incessamment. Merci à vous, chers invités, de nous avoir honorés de votre présence. Bonsoir à tous. Euh, la quatrième édition du Festival international Sahel Hip Hop et Musique du Monde euh, débutera le vendredi 20 avril prochain et ce jusqu'au 25 avril à Niamey et à Agadez. Durant ces cinq jours de festivités, plusieurs activités seront au programme. Mais avant de se lancer dans le but du sujet, faites-nous une brève présentation des structures ou groupes que vous représentez dans cette émission et votre rôle dans l'événement en phase finale de préparation. Françoise, je commence avec vous. Euh, donc Françoise Ramel, je viens de, Bretagne. C'est peut-être un peu étonnant pour nos auditeurs, euh, mais c'est la preuve que Sahel Hip Hop a une dimension internationale puisque euh, il est capable d'aller chercher des énergies bénévoles très très loin du, Niger. je suis mondoblogueuse. blogueuse. Euh, et à ce titre-là, j'ai gagné euh, une compétition internationale avec euh, Radio France Internationale que tout le monde connaît en Afrique. C'était en 2015. Et jusqu'en 2015, pour moi, l'Afrique, c'était euh, un continent, euh, des gens, des guerres. Euh, c'était aussi des, des, souvenirs de jeunesse. Je me rappelle de Tourekunda, je me rappelle euh, des... des J'ai milité, moi, quand j'étais au collège, pour les enfants du Sahel, sans savoir ce que c'était que le Sahel, mais j'ai vendais des petits Père Noël pour les enfants du Sahel. C'est des choses qu'on a comme ça dans un parcours de vie, on ne sait pas trop pourquoi c'est là. Et puis un jour, très longtemps après, vous vous retrouvez, comme moi, depuis deux jours au Niger, à Niamey, avec des gens que je ne connais pas je salue Monsieur Sani Magori qui m'a beaucoup aidé avant mon arrivée pour mettre en place le programme dont nous avons parlé tout à l'heure. Euh, et je salue évidemment euh, Fatih Rico que je ne connaissais pas. Et euh, voilà, je vais, je suis ici pour découvrir plein de talents et pour apporter une énergie différente, un regard différent, mais qui est un, regard de conviction, de militantisme, parce que la culture c'est notre combat à, à tous. Voilà. Et à Mondoblog, nous sommes un réseau de mondoblogueurs, essentiellement de jeunes Africains qui sont porteurs de, de dynamisme, qui sont porteurs d'envie pour l'Afrique, pour la jeunesse. Et c'est c'est leur rendre hommage que de créer euh, un, événement spécial pour parler médias, musique et cinéma. Et on va faire ça ensemble. Voilà. Tout, merci. Donc, euh, pour résumer, quel est votre rôle euh, dans ce festival qui aura bientôt lieu alors j'ai trois rôles on va dire. Le premier c'est d'avoir dit oui à Hassan Jobala. Ça fait trois ans que depuis que je connais Hassan. Brièvement. <laughs> alors Hassan m'a demandé déjà plusieurs fois de venir l'aider. J'ai dit toujours dit non parce que j'avais pas le temps, que le Niger c'était loin et que ça coûte cher. et puis cette année j'ai dit oui à cause du thème. Et donc je suis bénévole. Deuxièmement, je suis à l'initiative d'un forum qui aura lieu dès demain et jusqu'à samedi euh, soir, euh, porte ouverte à Blue Zone, Canal Olympia, pour toutes les personnes qui veulent venir échanger avec des artistes, des réalisateurs, des journalistes, euh, des, porteurs de projets. Euh, voilà, vous avez des idées, vous avez envie de faire quelque chose dans votre société, venez nous rencontrer. Et euh, le troisième rôle que j'ai ici, c'est que je représente Musique in Africa, puisqu'en novembre, j'ai été sélectionnée pour porter au niveau du Niger un travail de recherche et d'écriture sur la musique dans les zones de conflit. Et moi, on m'a chargé de m'occuper particulièrement du Niger, que je ne connais pas, donc j'attends tout de vous. Merci Françoise Ramel. Donc à vous, Monsieur Sanimagori. Euh, merci. Euh, merci pour cette euh, opportunité. Donc le Centre national de la cinématographie du Niger que je représente ici est une, structure étatique donc, qui est en charge de toutes les questions autour du cinéma au Niger. Donc c'est dans ce cadre que effectivement j'avais répondu à un mail de, Françoise donc, qui qui m'a sollicité donc pour, euh, en tout cas, lui donner un coup de main. D'abord pour euh, essayer de voir comment est-ce que cet événement-là peut rentrer dans un cadre d'un projet de film. Parce que quand on parle de la musique, effectivement, on parle vraiment de spectacle. Et, et partout où on parle de spectacle, le cinéma peut être présent. Donc, euh, en outre aussi, le cinéma a cette fonction de fédérer tous les arts. Donc c'est partant de cela que moi j'ai réagi positivement et donc j'ai aidé Françoise à, trouver les films en tout cas qu'il faut et dans, cette, dans cet événement-là, autant des films locaux que de films donc, internationaux, et puis des films qui parlent d'une Afrique positive. Parce que comme elle a dit, que, euh, on parle souvent de l'Afrique en guerre, de l'Afrique en conflit, eh bien, il y a des films qui sont porteurs d'espoir, des films qui se, des réalisateurs qui, ont, qui se sont donc euh, accaparés, qui, ont fait sien euh, les histoires africaines et qui ont montré ce, ce, ce côté positif, qu'au-delà de l'immigration, au-delà de toutes ces guerres, il y a vraiment de l'espoir. Et je crois que c'est cet espoir-là qui va réunir tous ces beaux mondes qui vont venir de tous les pays. Donc le cinéma est présent. Le cinéma est présent à travers le film. Le cinéma est présent à travers les conférences autour des thématiques euh, donc, qui cadrent bien avec euh, le cinéma et les conflits et aussi le rôle des cinéastes dans la société, le rôle euh, du cinéma dans une société, dans la mémoire du pays et dans la mémoire africaine. Merci Sani, à vous, Madame Mariko une présentation de votre structure que vous représentez ici ce soir. Merci. Donc moi, je, représente euh, les artistes euh, qui sont de tous bords. Euh, ce ne sont pas seulement des artistes nigériens, il y a plein d'artistes qui vont venir de l'extérieur. Donc notre contribution à nous, c'est que nous allons faire deux compositions sur les deux thématiques que Sahel Hip Hop a choisi cette année. Donc on va faire une composition sur chaque thématique. Et les, chanteurs vont les chanter. Et avec ça, on va à chaque spectacle, on va chanter ces chansons-là. à part ça aussi, c'est de faire l'animation autour avec euh, le festival. Mhm. En gros, c'est ça notre Merci à vous. Maintenant que le décor est planté, Madame Françoise, je commence avec vous. Euh, pourquoi le thème est axé sur la migration et l'extrémisme violent C'est un choix euh, fait par euh, l'initiateur du festival Sahel Hip Hop, Monsieur Hassan Djobala. Je crois qu'aujourd'hui, quand on parle d'Afrique, on ne peut pas ignorer ces, problèmes. Mais comme l'a rappelé Monsieur Magori, l'essentiel ici, c'est de parler de positif. Si on veut offrir des personnes perspective à ces jeunes qui, partent euh, faute d'autres choix, hein, euh, euh, ou les jeunes qui choisissent des solutions extrêmes pour se réaliser quelque part. Ils croient peut-être qu'en allant s'engager dans des troupes extrémistes, ils vont trouver un épanouissement personnel. voilà que moi je ne peux pas comprendre parce que je ne fais pas partie de cette époque, de cette génération là, mais qu'en tant qu'intellectuel, je peux comprendre qu'un jeune, s'il n'a pas d'espoir eh bien qu'il ait envie d'être un héros, je peux comprendre ça. Et euh, donc la question c'est comment on est tous des héros de nos vies, de nos histoires, et comment parce que on croit dans la fête, on croit dans l'humanité, euh, eh bien euh, on, on, trouve un héroïsme plus grand encore que de, de rêver de guerre et de, tragédie. Je pense que la vie euh, est, à la fois comique. Moi, j'aime l'Afrique parce qu'elle est drôle. Elle est drôle parce qu'elle sait aussi rire d'elle-même. Et euh, dans le cinéma africain, c'est ça que vous nous apportez beaucoup de fraîcheur, beaucoup de de, de, lucidité, mais une lucidité euh, porteuse de rêves et de poésie. Euh, et, l'Europe a besoin de ça aussi. Et il faut que vous le sachiez, euh, c'est nous qui avons <laughs> besoin de vous et c'est nous qui avons besoin de la jeunesse africaine. Mais qui finance ce festival Sahel Hip Hop alors le festival est financé, euh, je pense, par des fonds privés, par euh, la vente des tickets de concert qui sont très abordables pour permettre à chaque jeune de pouvoir venir euh, faire la fête, danser, mais aussi s'informer. Hein. Le forum dont je vous parlerai tout à l'heure est complètement gratuit. et moi, à titre personnel, je suis bénévole et le forum a coûté 0 euros. C'est aussi la preuve qu'on n'est pas obligé d'attendre de l'argent des institutions, qu'elles soient européennes ou ailleurs, pour foncer. je ne connaissais personne ici et j'ai foncé je suis très contente de me retrouver aujourd'hui avec vous, Raïla Tou, avec Monsieur Magori, que je n'ai jamais vu de ma vie. Et quel est le prix d'entrée pour les concerts alors j'ai cru comprendre que c'était 1500 francs CFA pour euh, les jeunes et qu'il y avait un prix VIP parce que je pense que c'est important d'être solidaire quand on a les moyens. Euh, donc euh, je crois que c'est 5100 francs CFA pour les VIP qui voudraient avoir des conditions d'écoute et d'accès au spectacle. Voilà. Merci beaucoup. Je me retourne vers vous, Sani Magori. Vous êtes réalisateur et aussi directeur du Centre national de cinématographique. Ce festival est dédié à la musique urbaine notamment. Pourquoi le cinéma et quelle est la place euh, qu'occupe le 7e art dans ce festival de musique Merci Raïlatou de revenir sur cette question. Et comme j'ai dit euh, tout à l'heure, au fait, le cinéma euh, ne s'est pas invité, c'est sa place dans dans ce genre d'événement. Parce que le cinéma, c'est l'art qui immortalise les choses. Et le cinéma, à la différence du reportage, c'est vraiment une initiative de l'auteur. Donc on décide d'aller là-bas. C'est à notre initiative qu'on décide d'aller là-bas, qu'on décide aussi de montrer des films. Et ces films-là ont été élaborés justement dans cet esprit-là. Donc le cinéma, c'est comme euh, le dit Ben Ousmane, un cinéaste, c'est le témoin de son temps. Donc à chaque fois qu'un film est fait, il répond à une situation. Et donc nous avons fait appel à ce film-là, notamment euh, Mada Underground, qui est vraiment un film fédérateur, un film qui, qui, qui, parle de tous les arts dans tous les États et qui parle aussi du rôle de ce cinéma-là dans l'éveil de conscience des jeunes. Donc ce sont des jeunes des de, de, banlieues, des jeunes des rappeurs, des dessinateurs, des, poètes, des, slameurs qui décident que malgré que ce que la population pense d'eux, ils ne sont pas ça, ils vont se battre, ils vont réussir. Quand est-ce que ces films-là seront projetés donc je crois que tout à l'heure François peut-être va vous donner le programme euh, en détail de, ces projections. Mais, tout ce que je sais, c'est que les projections vont commencer demain, je crois. Madame c'est demain à 12h30, Canal Olympia. 12h30 demain. Et c'est gratuit. D'accord. Donc, euh, quelle, quelle, sera la participation du cinéma ou plutôt des cinéastes dans la réussite de ce euh, festival Donc en tout cas, d'abord, on a déjà informé certains cinéastes. Donc c'est l'occasion aujourd'hui aussi pour que tout le monde puisse euh, puissent entendre cette, euh, cette, information, parce que je sais que beaucoup de, de cinéastes écoutent donc cette émission-là. Donc euh, nous profitons de votre micro pour les appeler à venir, à venir en tout cas participer au débat, surtout aux conférences donc, qui vont commencer le 20 et puis demain aussi les projections des films. Et d'ailleurs, j'avais invité euh, beaucoup donc des, musiciens. Auparavant, je voulais organiser une grande projection de ce film-là, Madame Underground, et l'occasion s'est présentée, et je crois qu'on l'a saisi tous. Donc c'est vraiment un film très important à venir voir. Et au-delà de ce film, il y a encore d'autres films qui ont été proposés. Donc, si la technique nous le permettra, on va les découvrir. Sinon, on trouvera toujours des alternatives pour compenser le manque. Merci beaucoup, Madame Mariko. Euh, comment est-ce que les artistes nigériens perçoivent-ils le festival Sahel Hip en tout cas, très bien. C'est un festival qui est le bienvenu. C'est le seul festival que nous avons ici au Niger. Donc, euh, ça ne fait que faire plaisir à ces artistes parce que l'occasion, c'est une occasion pour eux de s'exprimer. Euh, il y a, y a peut-être des artistes qui font deux, trois, quatre, cinq mois sans faire de spectacle. Donc, avec un festival pareil, moi, je pense que c'est la bienvenue pour tous les artistes nigériens. Vous, en tant qu'artiste, est-ce que vous avez déjà participé à une édition de Sahel Hip Hop C'est la première fois que je participe à Sahel Hip Hop parce que je ne fais pas le hip hop je fais la musique du monde et c'est cette année seulement qu'ils ont inséré la musique du monde à ce festival-là. Donc c'est pourquoi c'est la première fois que je participe. D'accord. Donc Françoise, encore, euh, vous êtes euh, représentante de Musique in Africa sur ce plateau. Euh, vous avez participé au Festival Sahel Pop, au compte de Musique in Africa. Quel sera votre apport dans l'organisation de cet événement Bien déjà, le Niger et Sahel Hip Hop est à la une de Musique in Africa aujourd'hui, donc c'est une bonne nouvelle pour tout le monde. Ça montre bien que c'est un festival qui a une dimension internationale et qui est regardé partout par des professionnels. Music in Africa, c'est la plateforme par excellence des professionnels des musiques du monde. Ça veut dire que c'est regardé aux États-Unis, euh, partout, euh, par des programmateurs de festivals. Donc c'est très important, comme disait Fati, euh, Fatih, que bah, les artistes qui peuvent se produire déjà au Niger de façon limitée, bah, quand il y a l'occasion de, les mettre sur scène avec des artistes qui arrivent du Libéria, du Tchad, de, partout, bah, que, ces artistes-là profitent d'une belle visibilité pourquoi Parce que les médias sont là aussi. On a euh, les amis du Nigeria de Areva 24 euh, euh, qui sont à côté dans le, studio. Il y, a, Canal Plus International et partenaire cette année de, de Sahel Hip Hop. Donc voilà, on est en train de monter une marche importante. Et on accueille Hassan Djobala qui est à l'initiative du projet. Qui vient de nous rejoindre. <laughs> Il est le promoteur du festival Sahel Hip Hop. Donc quel est l'objectif visé en initiant ce festival de musique urbaine eh oui, je me présente tout d'abord Hassan Abdoulaye, euh, reconnu par l'homme de Jobala, et c'est de là que naît Jobala Production. Donc euh, l'objectif visé, au fait, c'est de faire le brassage culturel entre euh, nos artistes nigériens et entre nos artistes nigériens et les artistes internationaux. Donc c'est vraiment de faire connaître ici nos artistes locaux, et c'est pourquoi j'ai dit que pourquoi ne pas, à travers le festival, je pouvais toutefois faire venir des artistes internationaux qui vont venir à, Niamey connaître notre pays et notre culture. D'accord. Donc, euh, Sani, euh, vous êtes euh, réalisateur. Qu'attendez-vous des artistes, notamment des cinéastes et des médias lors de cet événement Donc, moi, je, je pense que c'est une très belle occasion pour, pour nos artistes d'abord de, de, découvrir, de s'inspirer, de se faire connaître, comme il a dit et pour les cinéastes aussi de, de voir euh, en, en, la musique, en, en cet art-là, un, un excellent partenaire pour le cinéma. Parce que, comme je l'ai dit tout, tantôt, le cinéma, c'est l'art fédérateur. C'est-à-dire, le cinéma, c'est cette lumière qui, qui éclaire tous les autres arts, qui leur donne euh, de la vie. Et même les arts qui sont, qui sont inertes. Donc je crois que le cinéma a vraiment euh, sa place. Et c'est l'occasion euh, justement de découvrir ce film à Underground que je reviens toujours là-dessus parce que c'est vraiment un film qui, qui, donne de la vie à quelque chose qui est déjà vivant mhm. mais qui est considéré par la société comme une chose déjà écrasée et inexistante. D'accord. Donc euh, Hassan, vous êtes le promoteur du festival. Combien d'artistes sont attendus pour ce festival de 2018 12 artistes internationaux pour ne pas dire 12 pays. 12 artistes, ah tout euh, genre confondu. Tout genre confondu, parce que euh, quand on dit euh, c'est le festival, avant c'était Festival Salle Hip Hop. Donc j'ai vu l'expérience que j'ai eue, j'ai dit bon, si c'est Festival Salle Hip Hop, ça c'est un peu limité. C'est pourquoi on a rajouté à la deuxième édition les musiques du monde. Donc il n'y aura pas que du hip hop, il y aura toutes les musiques confondues. Il y aura des slammers, des artistes tradis, du tout. D'accord. et, donc, comment dire le programme, euh, ça commence quand L'ouverture, c'est euh, le vendredi, le vendredi de l'autre côté de l'université Abdelmoumouni. Mais très malheureusement. Euh... Voilà, <laughs> c'est très la malheureusement. prochaine question. <laughs> Tout à fait. Je sais que tu allais me poser cette question, mais bon, je préfère euh, répondre en même temps. Malheureusement, euh, ils viennent de signer, genre, ils ont donné leur mot d'ordre parce qu'ils ont marché ce matin, euh, donc je ne sais pas quand ça va finir. Mais étant, Oui, la cité est fermée. Étant promoteur, euh, c'est pas aujourd'hui le Canada le domaine, donc euh, j'ai prévu de plan B et jusqu'à plan C. Donc mon plan B actuel, c'est de faire l'ouverture au niveau de, l'espace Wi-Fi. C'est où C'est entre le commissariat central et l'Assemblée nationale. D'accord. Donc, euh, dès dès en sort dans cet studio, on va commencer à parler de ça sur les médias et les réseaux sociaux. D'accord, ça c'est le lancement et le reste euh, du programme. Le lancement, c'est de l'autre côté. Y a Agadez aussi. Tout à fait. Et la suite, c'est de l'autre côté euh, de l'espace Blue Zone. Donc, le méga concert. À partir de 21, à partir de 21h, il y aura tous les artistes internationaux et les artistes locaux qui vont prester. Et le 23 aussi, c'est la journée de salubrité parce que euh, le festival c'est aussi euh, un festival social parce que généralement quand on prend si nos parents nos grands-parents on parle de, la musique ils pensent que la musique c'est de la c'est de délinquance surtout le hip-hop donc c'est pourquoi j'ai instauré euh, des, journées de, de salubrité. L'année passée, on était sur le fleuve Niger, mais cette année, c'est sur euh, au grand cimetière de Yantala, le dimanche à partir de 9h. Donc, euh, on finit la journée de salubrité directement. C'est la caravane qui continue de l'autre côté de Agadez pour euh, célébrer la journée de la Concorde et le thème qui nous amène aussi à de l'autre d'Agadez, immigration et extrémisme violent, et aussi célébrer la journée de la Concorde, parce que l'accord de paix a été signé à Agadez. Donc on, il y aura deux fêtes donc c'est la raison principale qui vous a poussé à choisir cette ville. Tout à fait, cette ville et surtout même le festival, la date du festival euh, a été, on l'a choisi pour célébrer la journée de la Concorde. C'est pourquoi chaque édition, euh, il y a le thème et aussi la paix qui revient sur le truc. Donc mm-hmm. même les deux dates, c'est du 20 au 24 avril. Donc euh, c'est l'accord de paix. Euh, l'accord de paix a été signé le 24 avril par le feu le président Barry, que son âme repose en paix. Merci Hassan, promoteur du festival Sahel Hip Hop. Madame Mariko, vous êtes euh, artiste. Quel est votre avis sur l'accent mis sur le hip hop et non la musique en général? <laughs> Bon, moi, je ne vois pas d'accent. Je ne vois pas d'accent, d'autant plus qu'on parle de hip-hop et on parle de musique du monde. Donc, il euh, n'y a pas un accent qui est mis. Y a, y a On aurait pu dire musique du monde uniquement. Euh, bon, parce que ça avait commencé avec le hip-hop. Hip Donc, euh, la première édition, la, première édition, c'était le hip-hop seulement. Hip-hop seulement. Et Sahel hip pourquoi Bon, je, bon, elle a la parole, je vais pas la C'était à moi la, la question. Oui, <laughs> c'est fait exprès. Merci. Donc, il euh, euh, y a pas, moi, je ne vois pas d'accent parce que bon, c'était Sahel Hip Hop qui avait commencé. Et musique du monde a été rajoutée. Donc, euh, je crois que euh, et le hip hop et la musique du monde, nous faisons, nous faisons tous la musique. Donc, c'est la même chose. Et d'accord. Donc Françoise <laughs> Ramel, c'est ça, représentante de musique in Africa. Il y a un forum appelé Mondo Mondo Blog qui fait partie de, du programme euh, qui commence euh, demain jusqu'au 22 avril. Euh, de quoi s'agit-il exactement moi, ce que j'ai senti dans l'énergie de Hassan Djobala et de toute l'équipe qui avait autour de lui et, du Niger, en, fouillant un petit peu, euh, j'ai fait mes premiers articles Musique in Africa en novembre. J'ai appelé des gens que je ne connaissais pas euh, par WhatsApp. Quand j'ai senti euh, en une semaine le nombre d'informations que je pouvais récupérer, comment les gens étaient pleins de bonne volonté pour faire avancer leur pays, pour faire avancer leur culture, je me suis dit, bah, le festival, puisque j'ai carte blanche et merci Hassan de m'avoir donné carte blanche, je me suis dit, il faut qu'on soit concret. Il ne s'agit pas de dire on va parler de l'extrémisme violent. Il s'agit de faire. Euh, comme dit euh, Sani, euh, quand on est dans un cinéma, on n'est pas dans la fiction, on est dans la vie. On est dans la vraie vie. Et quand on est dans le terrorisme et la vibration, on n'est pas dans des histoires et du romantisme de partir à l'aventure. On est dans la vraie vie. Et on est dans une vie mise en danger, de mort permanente permanente pour soi et pour les autres. Et donc le forum qui commence demain, on ouvre les portes de Canal Olympia à 9h, je rappelle que c'est gratuit. On a la salle mise à disposition par Canal Olympia jusqu'à 16h30 demain, jeudi 19 et vendredi 20. C'est une chance incroyable. Hein, c'est du partenariat avec Canal Plus International qu'on a pu faire avancer ces choses-là. Euh, et donc, euh, eh ben demain, on commence par exemple avec Studio Kalangu. Quelles que, sont les personnes concernées voilà. voilà. demain, on reçoit Pauline Bend, donc euh, qui est la représentante de la Fondation Hirondelle, qui est à l'initiative de ce studio euh, Kalangu. Parce que moi, en tant qu'étrangère, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe au Niger Qui fait quoi C'est quoi la formation Et tout de suite, je suis tombée sur le studio Kalangu. Il faut faire confiance à ça. 있어. Il faut faire confiance à ça. Et donc, évidemment, vous m'avez dit, ben bien sûr, on va venir. Euh, et donc, on commence par le studio Kalangu avec euh, Pauline Ben qui va présenter un peu le schéma, un peu, enfin le paysage général. Et puis Maria Madialo, qui est une de vos journalistes, qui va venir parler de son expérience personnelle. Le lendemain, euh, je pense à ça, dès le lendemain, je, saute un peu le programme, mais à 14h, Sani Magori viendra présenter le vendredi 20 le paysage un peu du cinéma au Niger. Et ensuite, on aura Aïcha Maki, qui est une grande réalisatrice qu'on m'a présenté. Moi, je ne connaissais pas Aïcha Maki comme je ne mhm. connaissais pas Fatima Rico. Euh, et Aïcha va venir parler de son prochain film qui porte sur l'extrémisme violent. Euh, c'est ça l'esprit du forum. Et je dirais, si vous voulez connaître le programme, allez sur www.sahelhiphop.com parce que on vient pas consommer. La culture, c'est pas quelque chose qui se consomme, c'est quelque chose qui s'agit. Euh, il s'agit d'agir. Donc, allez chercher le programme et euh, faites votre sauce. Faites votre sauce. Alors, j'ai compris la sauce arachide, la sauce rouge et la sauce gombo. Voilà, <laughs> d'accord. Mais pourquoi spécifiquement ces, personnes-là Bon, Mondoblog, je vous l'ai dit, c'est un réseau, c'est le plus grand réseau euh, mondial francophone euh, de mondoblogueurs, de blogueurs, de jeunes. Et ce réseau est porté essentiellement par des jeunes africains. Moi, mon rêve, c'est que le forum Mondoblog Afrique voyage, c'est-à-dire qu'en 2019, on sera ailleurs, je ne sais pas où. Mais il fallait commencer quelque part. Et quand vous n'avez pas un rond, vous n'avez pas un sou, qu'est-ce que vous faites Vous cherchez un ami. Alors j'ai appris ça aussi, la parenté de plaisanterie. Euh, j'ai adoré cette histoire-là. Et donc, bah, Hassan m'a invité. Alors euh, maintenant, je peux tout lui demander. Et <laughs> puis, j'ai tout ce que je veux. Merci Françoise Sani, vous êtes réalisateur. Euh, à travers euh, ces films euh, qui sont thématiques, je suppose, quel est l'objectif visé à travers les projections de ces films bon, L'objectif vraiment, c'est de rapprocher les, les, les, artistes, rapprocher la population de, de, leur cinéma et aussi de ce cinéma-là qui, qui, qui, traite de ces thématiques-là. Et surtout avoir la chance, dans certains cas, de rencontrer en tout cas les, les réalisateurs de, de ces films-là et de pouvoir euh, discuter avec eux, de pouvoir euh, échanger sur euh, le contexte et le choix du sujet et pourquoi on fait ce film-là parce que c'est très important aussi, parce que dans les films qu'on voit, des fois, on ne voit pas les intentions du réalisateur. Et c'est ça qui, qui, apporte euh, de la valeur ajoutée à un film. Et je crois que, euh, à travers aussi donc les projets de Aisha Maiki, et notamment sur Zander, sur euh, la problématique de la violence, et je crois que nous allons aborder ensemble, parce que la conférence, nous, nous allons la faire ensemble, et on, va aborder effectivement le rôle de, de ces cinémas-là dans nos sociétés aujourd'hui qui bougent et puis aussi euh, où doit se placer la caméra parce que c'est très important. Qu'est-ce qu'on doit filmer et pourquoi et, tout à l'heure, nous avons parlé d'une Afrique positive mhm. parce que je crois qu'au-delà de tous les conflits qu'on voit, au-delà de tous les problèmes que nous vivons aujourd'hui, qu'il y a de la lumière qu'il y a une jeunesse consciente, une jeunesse engagée aujourd'hui à affronter ce genre de questions-là et pouvoir immortaliser encore l'histoire parce que je crois que dans quelques années, on va plus aller chercher l'histoire dans les livres d'histoire. On va la chercher sur Internet et ça commence déjà aujourd'hui. Donc c'est à nous de nous battre pour en tout cas procurer en tout cas la vérité. le cinéma vérité, le cinéma documentaire, c'est très important. Merci Sani, mm. directeur du Centre national du cinématographique. Euh, Fatima Rico, vous êtes euh, artiste. Est-ce que ces trois éditions passées de Sahel Hip Hop ont changer quelque chose dans la promotion de la musique nigérienne Bien sûr euh, que ça a changé quelque chose. Euh, ça a fait prendre conscience, surtout aux, rappeurs, euh, qu'il faut travailler beaucoup les chansons pour avoir la qualité. si tu n'as pas la bonne qualité de musique, tu n'es pas invité sur un festival. Donc, ça a quand même permis de prendre conscience à ces jeunes-là qu'il faut faire de la bonne musique. D'où vous avez constaté euh, vous qui êtes des médias, que vraiment euh, au niveau du Niger, le, hip-hop est vraiment une musique qui est beaucoup euh, au top. Ah, surtout avec les jeunes. Voilà. <laughs> Merci Fatih. <laughs> Donc euh, voilà, Hassan, promoteur du festival, donc vous allez vous rendre à Agadez pour le, la fête de la Concorde le 24. Comment est-ce que vous allez vous y prendre, notamment pour le transport, les logements, la sonorisation Est-ce qu'il y a autre euh, votre organisation sur place ou bien vous allez tout déplacer pour euh, aller là-bas oui, euh, vous savez, ce n'est pas la première fois que j'organise des, concerts à Agadez. Donc, du coup, à chaque fois que je, me déplace pour aller à Agadez, je crée une petite comité. Donc, j'ai mon staff à Agadez et il y a le staff aussi de Niamey. Ça veut dire que c'est les deux staffs qui vont organiser le concert d'Agadez. Mm-hmm. Ce qui fait que le concert d'Agadez, franchement, ça sera top ou légèrement vu, si je peux le dire. Et si tu, <laughs> si tu la rates, ça veut dire que l'année 2018, là, tu as franchement raté l'événement. De, euh, Merci pour l'info d'avance. Euh, Françoise Ramel, euh, représentante de Musique in Africa, en quoi, selon vous, la musique et la culture en général contribueraient-elles à apporter la paix en temps de conflit alors, euh, c'est vraiment la question au cœur euh, du, problème. Euh, vous savez comment est né le, le, blues Touareg Par des gens qui sont allés en Libye pour se battre, à qui on a appris à manier les armes et qui sont revenus avec des guitares. Je pense à mon ami Ahmed Akaidi, hein, qui, est un des héros du film Mali Blues, qui sera projeté vendredi avant la conférence de Sani Ahmed al fait partie de ces jeunes, comme Tinari Wen euh, avec Abdallah, que tous les jeunes du Sahara connaissent euh, sans frontières. Euh, voilà, ces gens-là, il y a déjà, en tout cas pour le Sahara, il y a déjà un lien historique entre guerre et musique. il y a aussi la question de la rébellion, mais je ne maîtrise pas et je ne suis pas légitime pour parler de ça, donc je, je ne souhaite pas en parler. Mais en tout cas, tout jeune qui prend une guitare, c'est un jeune qui partage la vie, qui partage un message, qui s'engage. Mhm. Parce que c'est difficile. On l'a dit encore tout à l'heure euh, quand nous étions sur le plateau télé euh, de, Dounia. Euh, est-ce que la musique nourrit son homme au Niger, je dirais Est-ce que la musique nourrit son homme et la femme <laughs> dans le monde parce que c'est un vrai problème de base, la place de l'artiste. Euh, j'ai lu euh, et j'ai vu beaucoup de films euh, justement liés au Mali et à la question du griot. le, conflit a vraiment mis à mal vos sociétés parce que le griot a, un rôle fondamental en Afrique et sa survie dépendait de sa fonction sociale. Du jour où un terroriste vous dit tu ne chantes plus, du jour où un terroriste casse vos instruments, mais c'est comme s'il vous tuait. Et en tuant la musique en Afrique, on tue l'Afrique. Mais quand on tue l'Afrique, c'est l'humanité qu'on tue. Mhm. Donc, tout jeune qui aujourd'hui a le courage euh, de prendre une guitare, de croire qu'il a un don et de travailler pour que ce don existe et soit entendu, nous, notre responsabilité, c'est d'être là pour l'écouter, pour l'encourager, lui dire ce sera pas facile, mais lui dire on va pas te laisser tomber. Parce que ce gamin-là, au lieu de prendre une guitare, il peut faire comme les copains. Mhm. Trafic, Kalachnikov et autre chose. S'il se plaint pas, il est en train de jouer de la musique. Donc la musique a sauvé beaucoup de jeunes. Donc euh, Sani Imagori, euh, dites-nous euh, pourquoi ces séances de projection sont-elles gratuites Est-ce une façon de faire venir la population ou pour autre raison bon, <clears throat> eh ben Donc je profite pour, pour dire, bon moi je, ne, je ne suis pas très d'accord du cinéma gratuit, mais hein. eh, je ne suis pas d'accord, je suis venu trouver que chaque fois qu'on fait des projections c'est gratuit. Je me suis dit que bon le cinéma, même si c'est en France symbolique, et les gens doivent faire euh, cet effort-là pour, pour aller voir des films. Mais euh, l'occasion euh, va m'être donnée, en tout cas, d'en parler. Donc je vais saisir l'occasion au cours de la conférence pour rappeler aux gens que c'est gratuit, mais en réalité, c'est comme un bonbon, euh, c'est comme un médicament enrobé dans une capsule sucrée. Voilà, nous, nous, saisissons de cette occasion pour leur offrir quelque chose, mais euh, à effet thérapeutique. Donc, euh, je reviens encore sur, un des points dont je, je, voulais évoquer et j'en profite pour annoncer cela. Au fait, le cinéma, j'en avais utilisé le cinéma une fois pour réconcilier la population de, de Dograwa au bord d'un conflit. Euh, un conflit qui est né justement de cette immigration-là. Et donc, euh, justement, quand Françoise m'a parlé de, des deux thématiques, et il se trouve qu'en ce moment-là, je revenais euh, d'une conférence en France sur, avec une association qui s'appelle Arambi et qui a, qui a justement. J'étais membre du jury et j'avais primé ce film Madame Underground. Et donc, moi, quand il m'a parlé de ces deux, j'ai trouvé que, bon, moi, je trouve ma place dedans parce que j'utilise le cinéma comme un moyen de résolution de conflit. Et puis euh, aussi ce film-là, il, il, il, il, fait aussi la promotion de, de, ces jeunes rappeurs, de ces jeunes que la société a mis en, en, en, marche, mais qui essayent quand même de se réveiller et de retrouver leur chemin et de retrouver leurs espoirs et de se battre. Donc, hormis cela, est-ce qu'il y a des nouveaux films nigériens qui n'ont jamais été vus par la population, euh, qui n'ont jamais été projetés Oui, chaque fois, en tout cas, euh, le film, de cinéma nigérien, on tourne tous les jours. Bon, moi je suis venu euh, effectivement pour euh, permettre en tout cas que chaque film qui sort, ce film soit vu, ce film soit promu, ce film soit circule et que les gens puissent payer pour aller voir ce film-là. Donc nous allons commencer par mettre en place les infrastructures de cinéma qu'il faut. En tout cas, euh, parce que les salles qu'on a, c'est pas vraiment des salles de cinéma. heureusement que nous avons Blue Zone, mais Blue Zone c'est une salle qui est venue pour pour occuper un espace vierge. Et je crois que cet espace-là, nous devrons encore créer d'autres infrastructures. Donc, euh, les films qu'on va montrer, vraiment, c'est des films. Euh, il y, y, a quelques films nouveaux, quelques courts-métrages mhm. donc, euh, que Aïcha avait, avait choisi et qui vont être montrés et qui ont été produits par, je crois, que, autour d'un atelier des jeunes. Et encore, Mali Blues aussi, c'est un très beau film et j'espère qu'on aura, parce qu'il y avait quelques problèmes techniques, je crois qu'on va le voir ben, sinon on trouvera une occasion pour, euh, pour substituer ces films-là et mettre vraiment des Ça films sera qui super, dans oui. Euh, Donc, je voudrais parler parce que je reviens vers vous, je donne juste la <laughs> parole à Fatima Rico qui est artiste. Est-ce que euh, il existe des chanteurs euh, ou des musiciens qui, qui ont été qu'on a connus à travers Sahel Hip Hop ou autres festivals de la musique? Bon, je le pense bien parce que Sahel Hip Hop, en réalité, les, trois euh, euh, années, je ne suivais pas beaucoup trop Sahel Hip Hop. Mhm. Euh, bon, je suis vraiment, j'ai mon regard, j'ai tourné mon regard vers Sahel Hip Hop cette année. Mhm. je pense bien qu'il y a des, artistes parce que le, promoteur de, de Sahel Hip Hop est un manager de plusieurs artistes. Donc ce qui est sûr, euh, il y a eu des artistes qui ont été connus à cause de Sahel Hip Hop. Pourquoi cet intérêt cette année seulement pour Sahel Hip Hop euh, Bon, l'intérêt c'est euh, c'est inné, je pense. Euh, c'est cette année seulement que j'ai eu beaucoup de communication sur le festival. Mm-hmm. Donc j'entendais parler de Sahel Hip Hop, mais je n'avais pas une vision là-dessus. C'est seulement cette année que j'ai approché euh, le promoteur mm-hmm. et c'est cette année que j'ai vraiment de l'information là-dessus. Donc, euh, c'est pour dire que la communication est très importante dans tout ce qu'on fait. Oui. Donc, euh, Hassan, euh, promoteur de Sahel Hip Hop, beaucoup de Nigériens méconnaissent encore ce festival. Depuis le début, en 2014, qu'est-ce que vous avez fait pour faire connaître ce festival de musique urbaine Avant de répondre à ta question, je peux juste donner quelques éclaircissements parce que j'aimerais savoir et les artistes qui ont été connus internationaux, et les artistes locaux, pour pouvoir te donner les détails les artistes locaux Locaux, par exemple, vous connaissez Barakina de Waligam mm, mm. Ok, donc ça veut dire qu'elle n'écoute pas la musique <laughs> nigérienne. En tout cas, le festival, grâce au festival, il y avait eu euh, Koudi, une béninoise, qui mm. est devenue internationale aujourd'hui à cause du festival Sally Pop. Euh, Talbi du Mali, aujourd'hui il est devenu international parce que c'est pendant le festival que la première édition qu'il est venu à Niamey a euh, enregistré deux sons qui lui a permis d'être à, l'international. Mhm. Donc euh, je me dis euh, franchement il y avait eu Et succès les artistes nigériens. Les artistes nigériens c'est ça je t'ai cité Barakina du, groupe Wadigam ils étaient à Zender mhm. à l'époque. Donc aujourd'hui, le petit, il fait, il fait de son mieux pour dans le domaine du hip-hop. Et il y a aussi euh, Onens, aujourd'hui, parce qu'avant, ils étaient, ils étaient plus ensemble, mais c'est à cause du festival. Aujourd'hui, ils se sont réconciliés et actuellement ils ont un album. C'est parce qu'ils sont en, en studio c'est pourquoi je ne les ai pas programmés cette année sur le festival. D'accord. Donc euh, Françoise, oui. C'est pas fini ça, j'ai oh, le... oui. bien c'est le temps, ok. Euh, ah, vas-y, <laughs> vas-y. C'était quoi la question c'était. Oui, <laughs> oui rappelle-moi s'il te plaît. Depuis, pour faire connaître euh, Sahel Hip Hop depuis 2014, parce que beaucoup de gens ne connaissent pas plein de choses, plein de choses, parce que euh, si je me rappelle bien, ça fait trois ans que j'ai connu cette bande d'âme, ça fait trois ans que j'essaie de parler du festival pour l'attirer, euh, la donner envie de venir au Niger pour voir ce que c'est le Niger et l'Afrique. Et si j'ai pas communiqué, aujourd'hui, elle ne sera pas là. D'accord. Ça, c'est un. Bon, Vas-y. Bon, <laughs> Françoise, il a vraiment tout fait pour que je vienne. <laughs> Est-ce que Musique in Africa s'intéresse à tous les genres de musique Moi, je suis pas venue pour Musique in Africa puisque Hassan m'avait demandé euh, en septembre de travailler avec, vous et avec le Niger, mhm. et je n'ai su qu'en novembre que j'étais sélectionnée par Musique in Africa. C'est vraiment une concordance de, temps, de temps, euh, voilà. Et donc, il se trouve que Musique in Africa est devenue partenaire euh, du festival, ce qui était la moindre des choses, mhm. vu la notoriété de ce festival et effectivement tout le travail professionnel et de qualité qui est fait euh, pour la musique et aujourd'hui avec le cinéma. J'en profite pour dire à Sani que je suis entièrement d'accord avec lui sur la question de l'accès à la culture et euh, que la culture n'est pas gratuite. J'ai été élue culture moi-même pendant six ans sur mon territoire et je me suis beaucoup euh, battue pour ça. mais je dois préciser pour nos auditeurs que ce forum existe sur la base de gens qui se sont fait confiance mais qui ne se connaissaient pas. Et sur la base d'une femme en Bretagne qui n'avait jamais mis les pieds au Niger. Mm-hmm. Je peux vous dire que c'est un vrai challenge, qu'on est en train de le gagner, avec ou sans la technique, c'est pas grave, c'est l'humain qui compte. Euh, et donc, euh, je trouve que c'est très très important. Et demain, vous ferez comme vous voudrez. C'est l'outil qui compte. Vous l'avez, vous avez un lieu, vous avez euh, des jeunes, vous avez Fatih, vous avez la radio Calangou, vous avez tout, tout, tout. Donc après, demain, euh, il va falloir se mettre au travail pour 2019. Et là, ben, vous vous connaîtrez. Si vous avez besoin de moi, je serai là et on pourra décider les choses ensemble mieux. Moi, je suis arrivée lundi, je ne savais pas ce que c'était que Blue Zone, je ne savais pas ce que c'était que la salle Canal Olympia. Mhm. J'avais tout pensé dans ma tête comme une intellectuels. Euh, donc euh, voilà, aujourd'hui, on est là et je voudrais dire que Mirage, qui est un film que j'ai vu, moi, il y a un an et demi en Bretagne, dans un petit village de 300 habitants, sous un chapiteau en plein hiver, pour vous dire, c'est ça le cinéma. Je suis bénévole dans un festival de cinéma et il y a un film qui me frappe au cœur, c'est Mirage, un film tourné au Niger entre 2003 et 2007 à Agadez. Et moi, grâce à Sally Pop, je serai à Agadez dans quelques jours. Et voilà. Et ce film n'a jamais été vu au Niger. Et je veux parler aussi de Suleiman Aganara. C'est qui Suleiman Suleiman, il est né à Gao. C'est un jeune Keltamachek. Il est journaliste et reporter. Il a 28 ans. Il a fait un film qui s'appelle Les Enfants du Sahara. Ce film-là, vous allez le voir à Niamey. C'est la première fois qu'il sera vu à Niamey. Voilà. C'est ça, Salih Pop. C'est pas, on voit les films trois ans après. <laughs> D'accord. Merci Françoise. Donc, grâce à Hip Une question pour Hassan, le temps de venir à, à Sani. Quel est le rôle, quel sera le rôle des médias dans ce festival? Ah ben, le rôle des médias, c'est euh, de partager et d'informer, comme d'habitude. Euh, le média, c'est éduquer, informer et distraire. Donc c'est ce que j'attends de médias sur le festival. D'accord. Sani, vous êtes euh, réalisateur. Euh, les Nigériens, vous savez, euh, on l'a constaté, ils aiment tout ce qui vient d'ailleurs, chansons, cinéma et tout. Que faites-vous pour que pour pousser les Nigériens à <laughs> consommer, local Bon, c'est la loi de l'offre et de la demande. Donc l'un peut provoquer l'autre. Donc actuellement, euh, je crois que c'est l'offre qui, est très insuffisante, sinon les Nigériens est demandeurs de films. Mhm. L'offre aussi des qualités parce que euh, trop souvent, euh, nos films, on les fait à la hâte. Au fait, on les fait tout seul. Et puis un film, ça ne se fait pas tout seul. Hein. C'est une vraie, vraie, vraie entreprise. Il faut vraiment que chacun fasse son travail. Et aussi, il faut aussi que donc les institutions en charge de la question du cinéma aussi veillent à ce que euh, les gens soient formés, les gens soient cadrés, les opportunités soient ouvertes à tout le monde de façon équitable. Donc, je crois que c'est ça mon rôle aujourd'hui en tant que directeur général de la cinématographie c'est de pouvoir donc impulser cette dynamique de l'accompagner parce qu'elle existe déjà et de la cadrer et de permettre aussi aux gens de réfléchir avant de se dire je vais faire ce film là et pourquoi on doit le faire est-ce que ce n'est pas un film en plus est-ce que ce n'est pas un film nécessaire est-ce que toutes ces questions doivent être réglées d'abord dans la tête du réalisateur pour que demain quand son film passe qu'il tire euh, justement euh, euh, ce plaisir, cette utilité marginale qu'il tire, qu'il puisse être content de son travail et que son travail puisse aussi susciter d'autres travaux. Merci Sani. Mm. Fatima Rico, vous êtes artiste. On a constaté que beaucoup d'artistes évoluent à l'extérieur. Est-ce que ça veut dire que les Nigériens n'aiment pas ce registre-là Brièvement. Euh, pas du tout, euh, mais malheureusement, c'est une réalité qui est chez nous. On n'a pas beaucoup d'ouverture. Donc, euh, c'est ce qui fait que nos artistes sortent et se cherchent ailleurs. D'où Sahel Hip Hop est bienvenue pour passer l'information, pour communiquer avec ces jeunes-là qui, qui s'en vont ailleurs, que euh, d'éviter l'immigration et de rester travailler chez soi. C'est seulement en travaillant ici qu'on peut avoir une ouverture. On ne peut pas rester ailleurs et avoir une ouverture chez soi. Merci beaucoup pour clore euh, ce sujet. Euh, vous, vous êtes Hassan, vous êtes le promoteur du festival. Avez-vous quelque chose à dire qui n'a pas été dit pour clôturer? Bon, euh, pour clôturer, euh, c'est euh, donner quelques informations parce que les informations ça ne manque jamais. Et puis je préfère clôturer et en tout, tout en répétant les dates, les trois dates à retenir. Donc c'est le vent de l'autre côté de ce n'est plus l'université <laughs> Abdou mais maintenant c'est à l'espace wifi Le 21 de euh, à Canal Olympia à partir de 20h, euh, surtout encore le grand rendez-vous, la jeune de salubrité. Je tiens beaucoup à ça. Je tiens vraiment à ça, la jeune de salubrité, de l'autre côté du cimetière Yantala, d'où j'invite massivement tous les artistes à effectuer ces déplacements pour, pour, montrer à la population que les artistes ne font pas que de la musique, ils sont aussi sociaux. Merci beaucoup. Ainsi prend fin le rendez-vous de ce soir qui était consacré à la quatrième édition du Festival Sahel Hip Hop et Musique du Monde, un, événement culturel initié par Jobala Productions. Avec moi dans ce studio, Hassan Abdoulaye, promoteur du festival et propriétaire du label Jobala Productions. Sani Magori, réalisateur nigérien et aussi directeur du Centre national de la cinématographie du Niger, CNCN. Fatima Rico, artiste, chanteuse, compositrice nigérienne également. Et Françoise Aramel, représentante de Musique in Africa. Merci d'être resté à notre compagnie. Rendez-vous demain pour une autre thématique.